toujours résumé, concevoir un monde digne des enfants au Sénégal, en respect des engagements que nous avons signés, mais également en respect euh, de la volonté de l'État du Sénégal euh, de construire une société juste, équitable pour tout le monde. Euh, donc après la ratification, nous avons sur le plan national mis autant d'instruments. C'est un code que nous avons, dont nous avons fait le monitoring dont également nous avons mis des processus et des mécanismes au Sénégal. Nous avons aussi harmonisé euh, tout cela avec notre législation, et ce qui a permis de créer euh, d'abord euh, au début un ministère chargé de l'enfance et qui jusqu'à présent est inclus dans les préoccupations du ministère de la Femme et du Genre. À côté également, nous avons mis des instruments. Beaucoup d'instruments et d'outils ont été développés euh, que ce soit des outils euh, de programmation, mais que ce soit également des outils. Des structures également ont été euh, mises en place, qui sont des cadres qui créent un environnement sain pour le développement de l'enfance. Donc nous avons eu beaucoup d'avancées. Nous avions mis un comité national de protection des enfants. Nous avons mis des outils, des procédures standards de protection. Nous avons également mis des outils intersectoriels euh, d'approche qui permet à beaucoup de ministères, ministère de la femme, de la famille du genre, ministère de la justice, ministère d'agir euh, pour les besoins de l'enfant. Ce qui est visé, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et qui peut se résumer en deux types. D'abord, besoin de mettre des mesures de protection pour l'enfant, mais également de mettre des services appropriés pour l'enfant. Et cela, l'État du Sénégal est très avancé dans ce domaine. Si gérer l'adoption du code, peut-être qu'il a rappelé parce que c'est un partenaire également qui a travaillé euh, sur ce code, euh, qui pendant longtemps a suivi un processus, un mécanisme. Maintenant, je pense que nous sommes à la dernière étape. Le code et le gouvernement l'a fait circulariser auprès des ministères techniques et les avis et les observations ont été reçus. Et récemment, même le gouvernement, le secrétariat général du gouvernement avait convoqué une réunion qui, malheureusement, pour une contrainte euh, euh, d'agenda a été repoussé. Donc on est dans un processus où l'État va déposer le code euh, euh, de l'enfant au niveau de l'Assemblée. Maintenant, ça va être bouclé dans les prochains mois à venir. Le président même a donné une directive claire au gouvernement de déposer, de travailler pour faire adopter ce code. directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants. Oui, il s'est agi de partager l'état de mise en œuvre des 207 recommandations du comité d'experts euh, des Nations Unies sur les droits euh, de l'enfant. Donc c'est des recommandations qui traversent toute la période des 30 ans de la Convention, depuis son adoption par le Sénégal en 1990 jusqu'à maintenant. donc des recommandations qui concernent un peu les mesures d'application générale, mais aussi les mesures spécifiques en termes de protection euh, dans le domaine du travail des enfants, de l'intersection des enfants, dans le domaine également euh, de la législation concernant euh, certains paramètres qui sont un peu, n'est-ce pas, en contradiction avec ce qu'on a dans les autres textes nationaux, comme la question de l'âge du mariage des enfants, la question également de l'excision la question de l'exploitation. Donc tout cela, aujourd'hui, je pense, a été euh, compilé dans un texte unique, euh, dans le Code de l'enfant. Et euh, nous pouvons nous réjouir que le Sénégal a créé un cadre juridique extrêmement protecteur pour l'enfant, en sens que au niveau des mesures, des recommandations qui ont été, qui ont été formulées par le comité, beaucoup de celles-ci ont été déjà euh, prises en charge. Euh, certaines également sont en cours d'exécution. Par contre, il y en a qui ne sont pas encore du tout exécutées. Et c'est ça le défi qui nous attend. Donc, dans le cadre du partage au cours de cet atelier, euh, nous allons adresser toutes ces questions, voir quelles sont les contraintes et aussi essayer d'aborder des éléments de, de solution. daanaka fekk ñun suñu biir code de l'enfant bi nga xam ne tey jii moom lañ war a proposer assemblée nationale pour ñu voté ko ñun jël nañ en compte recommandation boobu ba jàpp ne âge de l'enfant bi dañ ko yóbbu ba fukki at ak juróom-ñett li nga xam ne aussi moo aju si xale yi nga xam ne dañ leen di xarafal xale yu jigéen ñi xale yi nga xam ne aussi dañ leen di sàkku xale yi nga xam ne dañ leen di teg ay firna di leen bunu xatal di leen métital Euh, yëpp ay recommandations yoo xam ne la comité dafa ne Sénégal na si taxaw lu mu gën a gaaw rawatina xale yi nga xam ne tey dañu nekk si mbedd bi di yalwaan xale yi nga xam ne dañ leen di liggéeyloo te seet ak foofu loolu dafa nekk ay recommandations yoo xam ne euh, lu si ëpp tey système bi jël na ko en charge waaye am na si loo xam ne tamit ba tey mu ngi des te euh, def naa cour de l'enfant su fekkee ne dem na ba ñu génne ko dina mun a tontu ci recommandation yooyu nga xam ne tey comité bi wax na ko. enfant bi euh, gannaaw bi nga xamee ne ministère de la justice ak yeneen ministère liggéey nañ ko ba tënk ko si benn euh, këyit euh, dañ ko jébbal secrétariat général du gouvernement ñoom nag dafa am liggéey boo xam ne dañuy daje ak yeneen ministères yi yëpp yoo xam ne dañoo laale si affaire xale kenn ku ne nga joxe sa xalaat waaye su loolu weesoo nag lañ koy soog a yóbbu conseil des ministres ñoom ñu adopté ko ñu yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko foofu.